je voudrais, à l'occasion de ce idel qui marque la fin du mois de Ramadan, euh, saluer euh, la Oumma et implorer humblement le pardon de Dieu et prier et qu'il réaffirme notre engagement à la foi et qu'il guide nos pas euh, dans le droit chemin. Euh, je souhaite euh, que cette fête soit une source de paix, de stabilité, de concorde pour notre pays. Que le Sénégal continue de voyager dans la paix, dans la stabilité, ce beau pays que nous a légué les anciens notoniers, les anciens nos ancêtres, qui ont conduit la pirogue du vieux Sénégal jusqu'au rivage de notre génération. Aujourd'hui, il appartient à notre génération de poursuivre le voyage euh, de cette pirogue dans la paix, dans le calme, les déchirures, les querelles entre matelots ne doivent pas euh, perturber ce voyage et nous devons nous souvenir de cette sagesse. Si tous ne s'associent pas pour sauver le bon vieux navire, personne n'aura plus l'occasion de le piloter pour un autre voyage. Je salue les populations de Thiès et je prie pour elles. Je sollicite leur prière et leur accompagnement pour que je puisse réaliser la grande ambition que j'ai pour cette grande ville. aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi d'annoncer trois grands projets. D'abord, au niveau de l'éclairage, nous allons lancer un marché de 150 millions pour l'éclairage public, l'éclairage destiné aux quartiers populaires, aux quartiers périphériques. Dans le domaine de la santé, dans les prochains jours, prochaines semaines, nous allons lancer une vaste campagne pour inscrire 5000 familles dans les mutuelles de santé pour permettre aux pauvres, aux familles vulnérables d'avoir la possibilité de se soigner aux femmes après avoir donné une enveloppe de 110 millions pour la prise en charge de la formation des jeunes. Nous allons mobiliser 200 millions pour le financement des, femmes. Ce sont des projets sur lesquels nous avons déjà travaillé et l'argent déjà stabilisé. Merci beaucoup. Nous solo jamono bu ne waxtu wu ne mu wane ni intellectuel la xam na fu réew mi toll bu baax kon maa ngi koy ñaanal waaye ma ñaanal askanu senegaal yëpp yàlla def fi jàmm yàlla def fi dal yàlla def fi dëgg ak euh, maandute euh, réew mi bato la boo xamante ni suñu maam yi ñoo ko doon joow ba mu yegsi ci ñun ñoom nag joow nañ ko ci dal euh, joow nañ ko ci jàmm euh, ba tey jii bato boobu ñëw na ci ñun yàlla na suñu génération am matu continuer joow bato boobu ci ak dal ci ak njub kon suñu réew mi yàlla na ci yàlla def jàmm jim defoon ca gaaluk yonte yàlla nox yàlla na ci yàlla def muc mucc gu tol ni gim defoon ci gaaluk yonte yàlla mu noox yàlla na Sénégal ci jamono bi ñu nekk di jamono guerre di jamono violence yàlla na tëmb ci àdduna boobu ni gaaluk yonte yàlla noxu goog waaye muy nuyu askanu Thiès di leen ñaanal jàmm waaye di leen ñaanal ñu ñaanal ma ñu jàppale ma ba yéene yu mag yi nga xamante am naa ko ci Thiès ngir transformer Thiès ñu def ko dëkk bu bees ñu def ko dëkk bu naat dëkk boo xam ne ku fi ñëw xam ne ni Thiès dëkk bu moderne la liggéey yi nga xamante ni tàmbali nañ ko am na lu ñu ko tàmbali waaye lu néew la par rapport ak suñu yéene moo tax ma bëgg a profité ni am na ñetti projet yoo xamante ni bëgg naa ko wax waa Thiès benn bi li mooy éclairage public muy deuxième phase un marché de cent cinquante millions boo xamante ni làmp yooyu wu yobbuñ ko centre ville de ñu ngi ko bëgg yobbu ci quartier périphérique quartier yi nga xam dañuy nekk ci ay jafé jafé nekk ci ndóol ñi ñi japp ni sax bokku ñu ci dëkk bi ñu fexé lampe yi aussi quartier yooyu ñu tal lampe yi waaye am na beneen projet mooy faju dafa jafe ci dëkk bi amul benn maire bu mën a génne ci sa poste ni da ngay faj askan amul benn politicien moo tax dañ ko war a organiser mobiliser nañ aujourd'hui da de l'argent xaalis bo xamanteni tay ji disponible na du lo xam dama koy wuti xaalis bi au minimum au minimum ñi ngi sax liggéey lu ko way dinañ inscrire cinq mille familles ci ay mutuelle de santé yo xamni maire bi mo leen di cotiser famille yoyu mën a faju loolu xaalis boobu disponible na banen bi nga xamanteni ni ñi ngi ci projet la moy yëkënti won nañ cent dix millions muy formation xalé yi formation ndaw yi Aujourd'hui, nous mobilisé 200 millions pour ko financements. financement projet dans l'immédiat